il faut dire que euh, c'est le personnel du poste de santé qui, par rapport au flux de patients qui fréquentent euh, euh, ce poste de santé, que j'avais baptisé Imam Madanili, qui est le premier imam du quartier, comportant à son, à son intérieur une maternité, d'alors que j'avais baptisé le chef de quartier, qui était ancien maire également, Cheikh Ahmed Tidjan Diop. Mais avec l'arrivée de l'ICP, l'infirmière chef de poste, Madame Sougou, il y a eu, je ne sais pas par quelle magie, une attraction ou une attractivité euh, qu'on ne pouvait pas expliquer. Les gens quittaient même d'autres communes pour venir solliciter ses soins et son personnel. Vous voyez, même dans la maternité, il y a des gens qui refusent d'aller à Dominique ou à Dakar, qui viennent ici voir euh, pour pouvoir euh, donc, accoucher ici à Pékin Nord. Donc tout reste Pékin Nord. Alors sur sa demande, euh, Madame Sougou m'avait demandé de trouver quelque chose pour mieux accueillir les gens parce qu'il manquait un espace en haut où se trouve son domicile. Et j'avais décidé cette année, après mon, ma réélection, de, construire une extension qui va gérer une sorte de bloc de centre de la reproduction pour pouvoir accueillir véritablement un certain personnel afin que les gens n'aillent plus dans des cliniques euh, à Dakar, je ne veux pas citer de nom, pour que les Piquinois aient des, infrastructures qu'ils méritent. Alors c'est pourquoi, compte tenu de, de cette magie qui est chez Madame Soubou. Depuis, depuis qu'elle est là, euh, les gens ne viennent pas ici pour dire je vais au poste de santé Imam Madanili, qui fut le premier imam, je rappelle, mm. du quartier. Moi, je ne le connais même pas, je connais ses enfants. Mais les gens disent je vais chez Madame Soubou. il suffit qu'elle te regarde, il suffit qu'elle te touche il suffit qu'elle te sourie pour que tu te guérisses. Il y a quelque chose qu'elle a impacté par son passage ici. Et je dis, ce serait injuste qu'elle parte sans que le poste de santé euh, immortalise son nom. C'est pourquoi j'ai dit ce bloc-là que j'ai construit euh, dans le cadre donc, de l'année 2022 que j'ai inauguré ce, 8 mars. D'ailleurs, c'est son idée. Elle me dit chaque année, le personnel organise un 8 mars avec comme marraine Madame Gara, la première dame, et cette année aussi, elle a récidivé pour me dire, Monsieur le maire, reportez l'inauguration au 8 mars pour faire honneur à la femme, pour faire honneur au personnel et pour coïncider l'inauguration avec le 8 mars. Donc c'est ça l'objet euh, de ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est vraiment essayer de relever le plateau technique. Euh, euh, notre credo, ce n'est pas seulement du point de vue santé, parce que ce n'est pas l'heure du jour, mais dans un mois, je vais inaugurer une infrastructure culturelle, le théâtre de dire que j'ai démoli et j'ai construit avec à peu près 100 millions, ce qui sera équipé, neuf, vraiment pour que les acteurs culturels ne partent plus à Dakar, restent ici, restent ici à Et c'est valable dans tout, ce que nous ferons à l'avenir. Il faut que les Piquinois aient à travers le municipalité des infrastructures standards de dernière génération pour construire pour l'avenir, pour que nos générations puissent véritablement etc. Ah non, non, non, nous, nous sommes des membres de l'État. La collectivité locale est des membres. Oui, oui, déjà, déjà, euh, le ministère de la Santé m'avait appuyé en 10 millions pour réfectionner le poste de santé numéro 1 qui se trouve sur Taliboumac. D'accord Mais c'était Ibrahim Selendia, à qui j'ai donné ce nom, qui avait prêté ou octroyé son domicile pour faire office de poste de santé. Maintenant, ces générations sont passées. C'est du temps d'Alun Sam Kabirumbo. J'ai décidé cette année 2023, avec les Fonds Pakistan, de démolir le poste de santé et de le construire effectivement comme institut de santé. À peu près 98 millions que je vais mettre dans le poste de santé. Donc je n'ai pas terminé avec, avec le volet santé. On va mettre des infrastructures véritablement pour pouvoir venir aux besoins des populations en matière de santé. Et quand l'État viendra en appui, je crois que ce sera pour avoir un centre de santé, voire un hôpital de niveau 1, au moins pour que tout malade de Piquet Nord reste à Piquet Nord. Et vraiment, j'en profite pour féliciter le personnel du poste de santé et le CDS. Je crois que le secteur exécutif euh, Mandian et euh, vie qui est le trésorier, euh, Madame la sage-femme et l'ICP, je crois, et l'ensemble de vos membres, hein, je vous félicite parce que tout simplement, vous faites notre fierté, vous faites ma fierté. Je ne terminerai pas sans féliciter le chef de quartier, euh, Cheikh Diop, qui est ancien maire de Pékin Nord, qui est l'imam, imam ratip, imam du quartier, qui est délégué de quartier, qui habite en face d'ailleurs donc qui a un amour inexpliqué à ce poste santé. Mhm. D'ailleurs, à la construction 2003, euh, 2000, avant, 2002, il était maire avec l'agence de développement municipal. C'est lui qui, qui, arrosait même les briques pour la construction. Il s'occupait, il arrosait, il créait des, des, fleurs. Au point que, avec ma réélection en 2002, lorsque j'étais en première fois maire titulaire, j'ai décidé que son nom soit marqué dans le poste de santé qu'il aime tant. C'est pourquoi on avait baptisé son nom euh, la maternité Cheikh Ahmed Diop par rapport à ce qu'il représente. Et mieux, ce bloc sanitaire, je l'ai construit mais je ne l'ai pas équipé. C'est lui en tant que délégué qui allait trouver du matériel. Uh-huh. Il y a deux mois, qu'il avait stocké dans l'école pendant les vacances et pour, me dire, monsieur le maire, j'ai donné du matériel de très haut niveau, des l'imim électriques, mm-hmm. des armoires, des tables de chevet et tout mais on n'a pas où le mettre. Je ai dit tout simplement, attends, la, fin de mes travaux, vous aurez où le mettre. Et j'ai vu que ce sont ces matériels qu'il a octroyés qui, qui ont servi à équiper le bloc que j'ai construit. De, ce point de vue, euh, voilà, je le félicite au nom de toute la commune de Nord. Je voudrais que nul n'en ignore que tout le quartier Le Sas, c'est un brillant chef de quartier avec son conseil de quartier. Je ne terminerai pas sans féliciter les Badjanougor. Mhm. Euh, qui, c'est une équipe très dynamique, dirigée par... Euh, avec euh, les Ouleïdia et autres, vraiment qui sont très dynamiques, vraiment engagés, très sociables. Vraiment, en tant que maire, je ne peux pas tout dire, mais considérer que je suis content du poste de santé de Dar dans sa globalité, que ce soit le bloc Cœur Madame Sougou. Maintenant, quand un patient dit je vais Cœur Madame Sougou, mm. on comprendra qu'il va au poste de santé Imam Madani. Waouh, tu vois le santé, bon, je me suis fait mandat 2002. Je suis tey premier officiellement en tant que maire Je euh, ma ko bloc de santé de la reproduction bi ma tabax fii Je suis si de madame Sougou mooy ICP Je suis infirmier chef de poste bi de euh, femme bi sommes dañu de Gourgoum, personnel bénévole bi xaliss xol la waxna sax ñom dañu am benn magie maanaam benn batine bu nek seen liggéey nit ñi di wisi gis nga mbaar bii ñu def maladi maladie dañuy dem bay toog ci biti mu ne woon ma euh, moom xam na xam na ni ma mel ci moom moom laajam waaw la sant ci man day wax jëla ma sage-femme tey tey tey ma ne ko indi ko suba day wax bëgg naa nga recruter ma pharmacien bi ah, ah ma ne ko indil ma carte ma jël ko monsieur le maire doo ma tabaxal fii ci kaw des na espace ma ne ko naa ko def ren loolu nag la ñuy inauguré et moo ma laajoon ñu xaar journée 8 mars pour ñu def ko benn bloc la bu santé de la reproduction Nous avons ne mon mon mon mon ci kaw boo fi këram parce que maternité bi dafa am euh, dispensaire imam madanili Mon imam bi njëkk ci quartier Darou Khoudoss moom laa tuddee woon ci ay jamono poste de santé bi petit am ci biir maternité bu ma tuddee woon Cheikh Diop bi nga xamante ne ancien maire la woon adjoint maire maa ngi nouveau ñu fi mu bëgg poste de santé bi jàkkaarloog moom li ci def lu ne maa ngi koy wax léegi di féliciter te yemul parce que lui ma tabax nii. moom moo wuti ay matériel équipé ko balaa sax may tabax amul sox fu denc ci biir école bi la ko dencoon ba école tijji ñu naan ko kaay jël sa bagage yàlla def ma ne ko su paree di nga am foo ko dugal mu gis naa ne matériel bu très bu high niveau la ay lalu électrique ay table armoire lépp a ci quoi ma koy féliciter au passage alors léegi ma ne madame lii mu bëgg su ma koy inauguré dama ciy def benn surprise surprise bi mooy dama gis ne ku feebar di ñëw fii da ngay naan maa ngi dem ci madame doo wax maa ngi dem post sant santé Daaru Khoudous wala post sant santé Imam Madane bi day naan maa ngi dem ci madame Sougou lu tax madame Sougou bi euh, nekk ci gémmiñu nit ñi lan moo xew ca poste ba am na daal benn nekkin bu ñu nekk ñoom ak seen CDS bi nga xamante ne macha allah bu ci ma laal bant mais kontaan naa ci c'est presque une famille ba nit ñi dañu may wax ne madame Sougou bu la joxul garab sax bu la dalalee rek nga nga wër alors loolu nag ma ko ko ci félicité ma ne nag ku mel noonu mun fi nekk ay at

comme fu madame Sougou na n'est-ce pas Nabou alors léegi sama ambition yow ma dama bëgg li ci gis VIP gis moderne mhm. vidéo de surveillance tout mhm. c'est parce que sama ambition mooy waa Pikine mhm. soxlaati dara Dakar xanaa bëgg a palais Dakar la palais <laughs> mais soxla ci santé ci culture millions je dispensaire municipal numéro 1 Ibrahima Sélé Ndiaye moo ko moo abale woon këram jamonoy Kabiru boo fa demee comme ay kër néeg maanaam amul jëmm dispensaire ren laa koy toj def ci à peu près quatre vingt dix euh, tabax ko mu nekk jëmmu dispensaire def ko R plus 2 donc yooyu mooy sama ambition ci wàllu santé te loolu waxuma deux mille vingt quatre bii ñu nekk nii mars lañ nekk at bi lañ koy commencé incha allah donc boo demee ci mairie ba maa ngi fay defar building administratif yokk niveau bi ci ci ci ci ci lu ma tagul at rek ba ma falwaatee léegi. parce que ñeenti infrastructure dinaa ko inaugurer incha allah donc sama ambition pour clôturer moi une révolution révolution des Pikinois manam Pikinois des Pikine am say soxla Pikine fajal ko Pikine bo bëggee dem Dakar nak nga jall ba ginnaaw raay jël terre bi dem dik ma nga jël BRT bi dem dik wala nga bëgg nam président Macky Sall nga dem palais seetu mais leneen lo soxla stade ak lepp nga yemale ko. ici présent à remercier au nom de tout le personnel les sages-femmes les infirmières aides infirmières le CDS, la population de Dar les délégués de quartier, imams, les bonnes volontés, à remercier ici euh, le maire, monsieur le maire Amadou Diara, qui, par sa volonté, sa bienveillance, a voulu nous octroyer ce bloc. Aussi, je suis très fier, très ému par ce nom qu'a porté le bloc. Donc, au nom de tout le poste de santé, vraiment, je remercie le maire et son adjoint, l'équipe municipale et toute la population de Daroukdos. C'est une fierté pour Piquet d'avoir ce bloc pour prendre en charge, pour prendre en charge nos patients. La demande était forte. Comme le maire, il a eu à nous accompagner par le recrutement de sages-femmes. Il a recruté des sages-femmes pour le poste de santé, des, un dépositaire, c'est-à-dire vendeur de pharmacie, des ASC. Donc, c'est une continuité. Il a eu l'occasion de venir ici, on a fait cette euh, demande et sans tarder, il a euh, accepté de construire ce bloc. On va permettre que femmes et les filles ñu en charge ci maternité ci accouchement ci koo xam da nga bëgg euh, hospitaliser wala espace donc pour nous jël en charge normalement te va nous permettre de booster suñu indicateur permettre femmes enceintes de ñu jël normalement donc comme santé compétence transférée donc moom mu ngi ciy def loxoom bu baax di appuyer poste bi nag de tout tout le temps en tant ressources humaines matériel da ciy dem ba mu defal lu ñu defal donc maire moom vraiment mënu ma koo fay dama kontaan sama xol dafa sedd waxuma la dara mu ñëw tuddee ma lii vraiment maa ngi koy ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg ci Pikine Nord bi au plus lu ëpp Pikine Nord ñu dégg ko fa ndax vraiment maire la bo xamné ne mu accompagner population ak accompagner structure sanitaire yi fi comme il a eu à le dire tantôt donc je je le fais que le remercier.